kadi daal moo bëri doole kadi saf sell te De la maternelle à la terminale, le cours privé Amadou Ekumba, COPAC, situé sur la route du Lac Rose, offre un cadre idéal pour l'apprentissage. ginnaaw bëccëgu koor dara dàqul waxtu bi ma war a ak sama yaourt yëli bi ci guumeew bu neex bi oubliez les tarés, moi les di kooru Sénéginja numéro 1 de l'immobilier au Sénégal Caetano Sénégal, représentant officiel des marques automobiles Renault, Hyundai, Ford, Isuzu, Bike, Jetour et Mahindra. pour Yini Wadjal, ou weeru koor gu sell am thermos ay 2 HP Grand Bazar d'al deux hasard ak Ponch la fekk baax seetaanul seen programme ak boisson Ponch yi di teral gan ak di seetal xol yi. ak Ponch la fekk baax. Eau Royale buuru ndox une nouvelle vision de la bijouterie. Chez Umbilico, votre confort, notre satisfaction, votre bien-être, notre credo. Umbilico, Liberté 1, face Stadium Marius Ndiaye. 77 519 1804 ou le 77 762 37 47. Umbilico, the best garanti Sport, cinéma, séries, retrouvez tous vos programmes préférés sur Canal+. Réabonnez-vous vite ou rendez-vous dans vos points de vente. Vivita, un relooking pour votre personnalité. Vivita by Cosmakeup. Pour que chaque trajet soit une victoire, rendez-vous dans les stations-service Orix, powered by Africa.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 Showroom Héritage Couture à la zone de captage rond.emg pour vos tenues de cérémonie, vos tenues de soirée et autres ou sur internet www.héritagecouture.net. Étoile africaine, le magazine qui vous rapproche des talents africains. Nous mettons en avant les modèles d'inspiration, la culture et l'entrepreneuriat africain. Retrouvez votre émission juste sur surveille du lundi au vendredi sur la 2 TV et sur votre chaîne YouTube Marodi TV. Retrouvez votre série Belle Famille tous les jours sur la 2STV et sur votre chaîne YouTube Marodi TV. Eh, voilà. de, Bon, on force. bombal bombal bombal bombal. à la boutique. Babs VIP. Ajabi Création. M60. Pinot Fashion. ARA, Falcon Institute, MKB Store, Ruby, l'horlogerie sénégalaise. waaw ma fi jógee dénk naa la sama caat bi. waaw naa la bu Safa Bintu. waaw Cheikh Jojo xamoo ko xamoo histoire am xamoo lan la jot a dund xamoo lan moo tax ma yéene woon ko sa diir. néegu lii laa fan la ma mën fa jaar fit fee ruube ko fële la. yow lay waxal dangaa xam lan la bambi woddoo papa xaw ma lu Bambi woo doode te mosuma seex ak moom dara. dama ne balaa ngaa tas mbokk mi ah ma dogoog yow àddina ak docteur ça va. waaw waouh, taw toi, tu vas. d'accord bon. ngi si jàmm bu bon je te laisse. d'accord, accord ok. à tout à l'heure. Merci. tout ça pour une surprise j'espère que yaa ngi si jàmm bu baax. bu en fait demain ñëwoon pour tàggu la. là? ma. maman va voyager tey incha allah. ba jàmm c'est juste que dans mon opportunité professionnelle Maroc tu es mon rëcc attends mais comment ça mais pourquoi. juste parce que j'ai fait le tour Et.. je ressens dundu leneen tu vois en plus y a rien qui me retient ici mu ne woon naa ñëw tàggu la ndax même pour le dara sax defal nga ma bon maa ngi ñëw dem balaa may rater sama vol enfin moom bi ñu mon lan la moom la juste pour être près de toi. docteur si. Amoudou ah, ne dis plus jamais que Amoudou dara le fi téye Tara, tu as ton papa tu as ta mère tes frères et sœurs et pour finir man. écoute bi ngay ñëw fii keroog ànd ak sa papa ci laa la gis bëgg la et eh, depuis boobu ba léegi sama mbëggeel ci yow si fa gën a écoute bi ma lay bëgg je te connaissais même pas bi ma la xamee ci laa la gën bëgg mais bien sûr il y avait pas de bon moment il n'y en avait jamais. Tu étais en relation. Ce mariage avorté. Et pour finir, tu étais en phase de dépression. Et après que tout soit stable, vraiment, nous quoi. Mais pourquoi Est-ce que tu sais à quel point j'avais le cœur brisé de te voir souffrir Est-ce que tu Léla franchement, bois demain, tu vas vraiment m'anéantir. ndeysaan lii rek laa doon ñaan que gisante kooku ma bëgg Pour ma dire pour me comprendre soutenir moi, mais malheureusement c'est trop tard ne peux rien peux rien yàlla tuddee qui gisante prends soin de on Jojo. kër papa. ça va ça va te xanaa sama yaay dalaa dee couleur bi. <laughs> ñaari xol yu bëggante dañuy yëgoon nag. ah yaa ko fa am. kër papa. nañu waxtaan. Ah. dama nga fooy. yaay fan di. petit papa. Hmm. jógal. Ah. Eh, nga yor noonu fu mu Abang bi kalau begini apa nak? Ki, kii lu fit cuman rek Kalau kau cek kalau bi semua ma ko jëlul jël bu jëkk du ma fi am aafiya mukk chocolat yi fi nekk nag bul jege bul laal petit papa moo ko moom mbaam mi lan la jooju na ma tax nga may jàppale surtout bi ma ñëpp wanee ginnaaw ma jural leen doom famille boobu ñoo ma njëkk a bedd comme xaj su dul woon ak yow tey sori naa fii lool sax. baam bi li ngay dund nii daf may fàttali sama jaar-jaar te bi ma siy toll amoon naa xarit bu ma jàppale. jaar-jaar mag yow xanaa du doo man dañ la ma sa kóoli na nga nangu de. <laughs> du dangaa ne danga leen jural doom ñu wan la ginnaaw. man sama papa Djily moo ma te boobu xale bu ndaw laa sama propre yaay wan ma ginnaaw jël ma sànni ma sama kër maam fàtte ma fa lan baam bi li ngay dund nii dama ko xam ndax dund naa lu ko gën a metti gis nga sama xarit boobu ma lay wax moo ma jàppale du kenn ku dul lay laa

loolu moom dese nañoo wóor mais yaay bu nekk responsabilité la pour mu tànnal doomam baay bu baax te Khalil papa bu baax la ci sa doom ji moo xam mu jur ko ou pas. yaay génn appartement bi jot na nag yaay ah daara tëju kër yaay tëju maa ngi mel ni ku dugg xalwa lii ba kañ. papa. ñu néew won nga dem fowé ya an kay mais aw kumay ku xala nga ñëw ñu dem fowé man. ah yow ko su mo rusul won tata joyé sax mané ko ñu dem. kii. voilà petit papa. bul ma rus. baam bi wax na dëgg nag ku tëju ay at ci dara war mëna xappi sax bu dé benn jour. ok lu bëgg fowé man dawal mbégé mbégé waaw mbégé waaw. fi Dakar la dé du nanga ah. yaa man moom laa xam de ah mbége rek wala camp day camp day maa ngi ñëw ñu dawal mbége dégg tax pas ma commencé bu bul triste sa yaay dina ñëwaat ngeen comme ni ngeen meloon di waxtaan nga koy wax say chagrin secret say rêves di confier au ci comme avant tu n'as pas à t'en faire dégg xam nga lan tristesse

fasaale yow kañ laa naan fasaale man ndax yaa waral wax man mii yow kay ah bàjjan nag xadi caam mu ñëw toog si taabalu bàjjanam bii te newu ko bàjjan weñi newu ko jëni bàjjan moo roos loo waaye ngir yàlla <laughs> yow kat li ma jaaxal mooy yow da ngaa foog ne benn bàjjan rek nga am ci kër gi yow daal laylaa rek foog nga ne laylaa rek moo nekk ci kër kom sa bàjjan moo taxit war na ma dem bàyyi ma Abu boutrice yow tamit damay tooñ donc xam nga yow Taman ngaa bëgg lay laa te ma ne damaa bëgg lay laa ndax sama rakku xol instant yi namu naa ko sax te egg ko sax aéroport ñu koy tey moom sama journée bi dara neex fils ziar la. eh namm naa la de. naka liggéey bi. sant maa ngi kawam. ça va. ça va. ça va. lan ah la lan C'est mon jour journée tey dans la nerfs. ah bon ça tombe bien alors. on na quelques idées pour neexal

solide ba pare. Bousso lan moo sa kanam bi ni wa lii lan la de Bousso. dafa ni ma hol fan ya. layla ak fi sa amana na massa gis nga ko. de <laughs>

seetlu nga loolu yow ya, man li nga xam ne waxuma ko eh sa doom jànn anu. waaw doo wax ci kii nag poussière bii bala ñoo soj xoolal lii oh, oh moom affaire rambo la bëgg ci xolam te du rambo Bay ko oh, doo ma sa doon rambo yow ya, moom bayil ma ki. ana sa dom ji la wax sama dom ja ñaata dom nga am yow ñaata dom nga am yow ya. man ñaar na, am waaye kenn laa doomoo yow yow mom ya jël sa ké rek mom def ko comme bouton dënn ku wax la nga défendre ko sa dom bu gor bi. ok ah yow daal da nga jur say dom kon len non da nan ki la dom ak ké la bay yow kañ ngay nek responsable. ba kër jam hmm. kañ ngay nek mat nit ku mature lool la bëgg xam ki ma nak wa nak ko la ragal bété nak day xañ wërse hmm. waaw ba tax na nag kookoo len nara bét nak Omar Thiam mi dina len bét bu baax di ci kanam rawuti bët. kon ne sori wu

mom dafa paré xalé bu paré la sha allah waye mo yey nak tok fa ndax amu fi lo xamanteni ni dina ko ki mo yey tok fa. Hmm, kon yo amu fi ni kon ànd nga ci loolu. baña and ba mère na japp len di ngeen xam ni lune de bi dina nek li de merde. neer yi jël jomb jàmb ji yóbbu ko boobu ba léegi teyo sa li nga dafa amul sa ha ah? léegi yaa ngi fi ni xussi ci bir kër gi. mané mère rama du du yonenti. Ah. da taj tacc régler domam safle mo top sama dom ba dom mën ci juddu na régler bañu am néeg fuñ ko duggal ñu ne lolu nga doon ko bàyyi. ana néeg lay laa ngi ni ne ne yàmbalan kenn nekku ci waxe nopi eh gennel fofu fa lay genn fofu fi fi ngay dugg hmm ah ñun ñu palaase ba paré nga na génneel fofu nagu genn ci nga nekk awa soxna la te dafa nekk ci bu bu ah idée la wax. néeg bi néegam la ba léegi. nobel bu noɓeelo aawa ngay gis fofu ma sha Allah yow baal sago bi dama jeli sa jabar ji mo gën ci yow lo wax ci ni ki dafa xam li xew sax gis nga jamono ji fiñ tol ni yow laay waxal polygame dafa xew ci rew mi lan mané ne manam jomay yow may ma jomaay du bakir bakir du jomay dama ne nga yabbi looy def ni yow li nga deg nga nan loy def ni ak sa bopp ndaw yàbbil. salaamaaleykum. maaleykum salaam. yaa ngi ci pitax yi. waay bilaay. boo leen xool kenn amuñu seen jot sax pour mère ñu naan. fii de nii. mère Fama moytu yaa ngi gaañ sama tànk. salaamaaleykum. maaleykum salaam. xaar ma xaar ma yow. waaw bëgg soo ko. yow sa xef yi daa jàll. laay jafte day dof loo nit yow. ana ñaari xef yi ci digg bi. ça va. mi ngi si kaw. xaar wax laa soxla. xaar moo Tafa. sama papa su sama xol kon dama koy fen xolal musuma la wax nga nëbb sa papa wala sa yaay eh. parce que soo waxee ak ñoom da nga war a wax ak ñoom. ñoom ñaar ñoom say ñooy say confident yi njëkk mais tey jii waru di far kenn parce que place doom nga am mais attends yéen da ngeen di togg wala da ngeen di xeex. ñaar yëpp. ok su ngeen paree na ngeen raxas ba mu set ñeen di mel ni ay liir ne yow moom ni nga ñàkkee fay ak sa bone. jigéen mooy togg góor yaay raxas kese. Bousso yow sa ànd ak sama jabar dama koy seetaan xam nga lu tax parce que yaa ngi koy bëgg a yàq melu woon nii. yéen man gars dama leen toj jéem a def benn activité gëj nañu génn de. da ngeen bëgg dem yow yow surtout yow bëgg dem fan nga jëm ak <laughs> looy dem Bousso kii dafa bëgg dem de fan bëgg a dem. oto tamponneuse. oui. bambi nga may doye dama la koy ñaan rek fiñ tul ni mom wax deug yalla aw ma kattan gu ci waxe alaaji mbirum ma bambe ma fi indi deggu ma rek ñu nak na doomam waye bañu man dama ci am kersa de la balu seak. ak ndax dang ko yëkëti won jox ma ngir bëgg mu baax. moo tax ma di la balu seq. wuyu ma yow li nga war a def yëpp def nga ko jarul ngay jéggalu kii moom mbon mënu boppam yow ñaata nit dafa jaar nga defar leen jato ci mujj fi mu toll nii képp ko gis danga koy naw te lépp yow la gis nga dama bëgg nga wàkkiirlu ci yàlla gëmal yàlla yàlla mooy tege fama dama lay delloo ca euh, aaya ba yàlla nee na moom mooy xool neex mu baxal la xol kako neex mu bonal la waye sulay bonal na fekk nga bëgg ban bon bam bi mi mo bon bonu bopam Votre série revient après la pub. Kadi dal mo bëri dole Kadi saf sell te wóor. la maternelle à la terminale, le cours privé Amadou Ekumba, Copac, situé sur la route du Lac Rose, offre un cadre idéal pour l'apprentissage. ginnaaw bëccëgu koor dara dàqul waxtu bi ma war a bokk ak sama yawurtu yelitaare bi ci guubu meew bu neex bi ub yelitaare moo di ñaanal kooru jàmm Caetano Sénégal, représentant officiel des marques automobiles Renault, Hyundai, Ford, Isuzu, Baïk, Jetour et Mahindra.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

sport, cinéma, séries, retrouvez tous vos programmes préférés sur Canal+. Réabonnez-vous vite ou rendez-vous dans vos points de vente. Envie de produits cosmétiques 100% naturels pour votre visage ou vos cheveux Optez pour les meilleurs articles de beauté et bien-être disponibles sur www.awalibis.com. Salut Choose 221, votre partenaire numéro 1 des chaussures. Livraison partout dans le monde. Rendez-vous les 27 et 28 avril à Thiès pour le 38e week-end des femmes avec comme thème Le Seigneur répond sa miséricorde sur son peuple. Global Textile Hassan Fall, Parcelles Unité 12, tu tout Sénélec Déjà gros ak demi gros. I see what you do. You put your body batidi.com. Couture, une belle tenue augmente notre confiance en nous. M.T. Couture, Mam Couture, des costumes africains sur mesure avec des finitions exceptionnelles. Rejoignez-nous sur la chaîne YouTube Marodi TV International et découvrez l'univers de nos séries francophones avec des histoires captivantes et des personnages inoubliables. Marodi, inspiré par vos émotions. Retrouvez votre émission Je te surveille du lundi au vendredi sur la 2 TV et sur votre chaîne YouTube Marodi TV. Retrouvez votre série Belle Famille tous les jours sur la 2S TV et sur votre chaîne YouTube Marodi TV. Eh, du poiton de, xoolal xoolal lii mooy poiton. wax naa ne Ndiaye dafa mën a nettali Ndiaye fu mu toog day wax. man du ma tooñ de. li nga nekkee dañ ci génn par force. si ñu nga combat budul bëri nag yow. bombal bombal bombal bombal. mok mok mok. Cool. Retrouvez votre série Belle de Baye Moussé chaque lundi et jeudi sur votre chaîne YouTube Marodi TV. sais que je t'aime toujours, Khalil. Je tu que bëgg nga Tu es peut-être góor comme yow Mais je ne sais mais man si boppam maa gëmul ne mënu pas je suis vraiment désolée. c'est faux Khalil Tu tu aimes tes parents tu aimes ta badienne tu aimes tes frères et tes sœurs.

na mën na ba dof Ousseynou man ak yow on a vécu 3 ans de relation je sais pas est-ce que xaw ma la moo la wóor ni man suñu nekkaatee dina la bëgg comme ni mu waree. <laughs> les 3 ans de relation boobu yépp dem na ci ndox te jox ma sa xol rek xam naa ne doo ko rëccu ndax di nga si am wala nga am si euh, nga relation entière ak jigéen boo xam dina la comme ni surtout plus tu mérites vraiment le bonheur. bonheur mon bonheur c'est toi Khady man naa lay gis ngay kontaan sama xol di féex boo triste may jooy tu mon amour tu sais comme on dit en français le feu a besoin d'une bois mais moi mon cœur a besoin que de toi dis-moi s u Oui. o a r le feu. fan nga yem fan yi cest dire eh tonton sylvain lay fan nga yendu la bëgg xam yow Jojo Mbow da nga ëmb wala xamoko ya wara gëna mëna gën mi ya gëna ñëwé bëc ci aduna bu ma xey jaar ni nga xey jaar ni la mo ci problème. cest dire man la Jojo de man ngay waxal wala to ma. dafa mel ni sama question wala da nga bëgg nga répéter di wax dama ni nga wax ma fan nga yendu fan yi te bul ma fen xam nga bu baax sama jikko si kuy fen. di xanaa doone ma mère Awa li génn moo tax ngay frustré wu ne de. xoolal li yow génnal foofu te bul fa dugaat dama bëgg nga wax ma lenn ne ma Sadiq fii laay yendu sinon bis bu ma ko xamalee sama bopp du baax si yow te dinaa ko xam. Bambi. déggu ma li nga wax de. c'est-à-dire suñu la expliqué problème yow da comprendre. yéen sax yéen a koy baalu. la eh, lan lañu baalu lan laay comprendre en ah, jooju boobu. eh dama bëgg nga xam benn affaire kër gi dafa am kilifa góor gi jógo mooy suñu kilifa ñun ñëpp te dafa dogoo ak bambi àdduna ak alaaxira. man dogoo naa moom taw da ngay dogoo moom par force parce que man maay sa kilifa loolu laa bëgg nga dégg <coughs> laa dégg kon yéen xam ngeen fu mu nekk joojoo. c'est-à-dire Ibnou mënoo góorgóorlu tuuti nga ànd ak sa xel mbëggeel du xel xol la te jox naa lépp Bambi. malheureusement amoo xel sax yow. Bambi yóbbaale na ko. mais gis nga benn affaire laa la yëgal. bambi du tok sama keur na anda ak domam xam fu mu jëm na fa dem dégg nga baax li ma wax. te lan mo lay déranger dëggantaan lu ne nga da ngay top ndegal papa Ndiouga dama bëgg nga xol mi ci bat te nga tontu ma bambi su lu choisiroon comme papay domam ak yow ni nga bëggé dom da ngay top ndegal papa

Ha ha ha! yow demoon naa la yaay. maa la wax bu subaale. yàlla dox la woon. waaw jeex na léegi chaque jour danga ma dégg incha allah. aw cher jël machine bi ñu dem. <laughs> ko. waaye ñëwal rek yambar nga rek di nga de. <laughs> <laughs> bu so yow xam naa ne namoon nga sa yaay waaye xam nga ni fële namoo fa woon dara yow ne d'accord kaay eggali ak sa tonton Xalil. yaay bu ma nax de bul dem de. demoo maye fi waaw bàyyi daw oto tamponneuse. yow. kay daf ma daf ma. gis naa sa message sànq. ravi que ça ait bi juuma woon de ma lay dénk bu suuf. xool nga waxee sànq ci sa note vocale bi xoolu yaay nga waxee dëgg. aw Cheikh tey jii gis nga bu soo fi ko xalil féete comme papa bu ndaw.

bëggatuma du jox ko lenn lu onde positif te bëggatuma tamit may gis ci ay naxar tiis wala may jooy bëggatuma gis mu gis samay rongoñ bu so li nga ma expliqué man comprendre naa ko mais bu so du ko gisee noonu parce que nekkoo ci wetam nekkoo fi ni rien du tout teew sa relation ak sa yaay rek wala la servir de leçon par rapport ak ni nga war a doxalee ak bu so li si sama yaay du man faa te man dum sama yaay je ne serai jamais comme elle je suis d'accord avec ça Mais mais vais jox la un exemple juste bu vous. mu ngi lay woo jëloo ay appelam am la situation bi c'est un peu injuste pour elle même si fekkee ni que ça, c'est pourtant bien mais n'empêche il faut la tenir coffre. Théo yow mënoo expliquer ça parce que c'est des problèmes d'adultes mais moom tamit mënul comprendre loo xamante ni wax donc il faut que tu sois là pour elle waaw mettre naa la nee naa ko li ma doon woo jotuma li ma nekkoon say xat-xat mais jeex na léegi dina may dégg chaque jour. tant mieux alors parce que je sais que ça lui fera très très plaisir et puis bon je suis là pour elle et euh, faut que tu sois là pour elle aussi quoi Bon. d'accord. wuyu ma man dama dawale. <laughs> waaw man bu foo waay. <laughs> jaaru bëgg ma gën xam li fi xew fi ma nak sa papa dañ fay fo ba son xamna la sama papa rek nga bëgg ni mu wax rek nga duggal ko ci pati ngay lan hmm? delu si waatal pati ngir yalla jaaratal ci li nga waxon ah, lu tax mu ci jaar xamna lo li nga bëgg la yo da nga mën ta nopi nga fo li ngay fo ñu jaar na ñibbi mën na nekk wala mënu nek ok mën na nekk jox ma sa loxo doxal ñu dem yow kii sama papa petit fii wóorul nañ dem xam naa li ma la wax. lan mooy fi wóorul. doo bàyyi di laajte ak de débat nee naa la fii wóorul nañ dem te weekend prochain nga ñëwaat ñu ñëw fi dégg nga defal li ma la wax bul wax bul polémique nañ dem dégg

un léegi je ne sais chose ne nous pas a chaque jour mais tous les jours une déggante incha vidéo. bambi xarul ba xam ku ko yëg. doo xam nga ma billahi kafuma. da war a dee ñëpp noppal nangu woo ma déglu na deewal maa ngi kër joojo may naa ba fii ak vingt et gis nga suma la tegu. bé ça va. ça ñëw ngeen. waaw nan de. ok. Mame Bousso Mame Bousso Mame Bousso yow lan ngay def fii. fii lay fanaan. depuis fanaan fii. nit amee na mel lu bari mu ngi ko kaa xoolee ñii seen yére ñii seen dàll ñii seen parfum ñii si ay film ñu àndandoo seetaan ko man sama yaay si néegam bi laa koy xoolee néegam bi dund na fi lu ne dund na fi naqar bu nekk loolu baaba jugé ma la sax tata Fane sax waruma laa jugé souvenir bu fanaan yëpp si wàcc sama xeej bi sama yaay daa teel dund naqar damaa teel a sama naqaru yaay am na sax jour ma ni ko bu nekkee say doom ñoo la fi mën ngaa dem wante nag ma yóbbaale wax naa ko li pap ma waroon la koo wax Kado yu diis na de waaye daa doon kàddu dëgg rek moo tax mu diis mbégte rek laa ci am di sant yàlla bu baax boo amee doom mu ñemee wax dëgg ba di ko waxee tam ànd ak loolu sant yàlla di ñaan mu teg la si yoon bii nga bañ ko wàcc benn yoon. sama yaay moo fa teg. buso man ma yaakaar ne Sadikh ndoom ji ndeyam la koy tudde wala bu tuddee ko mère femme mi nga xam ne dafa jege Awa Seck ba dégg. bu màgg la ko tudde doon sama sago saa yoo xëyee di nga sa yaay lépp nag mënuma la ko wax waaye dama bëgg nga xam ni man ak sa yaay li ñu sekk romb na jëkkër ak jabar ci kaw suuf ci àdduna mënuma am jigéen bu ko sut ginnaaw yow mam bu su waaw sa bopp ma léemu la nga dem tëddi sa néeg merci beaucoup yal na la yàlla jubal ak sama tey moom li naa am te loo xamu xamul nag xoola Boussa dafa naroon mbëkk yaay ji à un moment ndax nee na daanu ko woon wuyu man daal sama doom ji dina jël sama jikko defantekat bi su màggee de. Khalil lan moo xew. c'est yoon bi yëpp nii nga meloon tu m'as l'air complètement à l'ouest qu'est-ce qui se passe. loolu moo taxoon nga déplané wu yoon bi yëpp tu penses que li muy wax daf ko nar a def Khalil est-ce que gënul nga jug ñu sol yére dem xoole ji ko parce que après tout tamit Bambi mbokk la de sa cousine la. bi man mënumaa tënku ci ay waxam parce que kenn xamul ndax day wax dëgg ndax kenn xamul li muy wax du dëgg. su dee li muy wax dëgg la et que tey jii nii. en tout cas daal li ma leer ba leer mooy du ma tënku ci ay waxam wala ci ay menaces am pour jéem a séddee. non. fan nañ nekk fii da dul gis sax docteur boo waxal. Ibou Ndiob ba léegi manqué wu. dañu fay indi suñu benn mbokk. Mhm. Bami Ndiaye la tudd. Bami Ndiaye. ba ñu yegsee ba léegi gisuñu kenn ku ñu informé ci kaawam. ok waaw may may ma tuuti ma renseigné wu. maa ñëw monsieur. bind wu ñu eh, ma lan moo tax kenn mënu ko jot ci téléphone kii ban genre nit la. góor gi munoo dal bala ngay gaañ sa bopp fii. cest à nee naa la ba taay bu ma neeti dal dalal Bambi Njaay mi su ko dalee ana lan laay wax ah njërim la ma jël ko sànni euh, beddi ko lan lay wax. salaamaaleykum. waaleykum salaam. yéenay waa kër maam Bambi Njaay. waaw. waaw lan moo xew. ànd leen ak daal. maam Bambi mi ngi ci jàmm alhamdulilah waaye nag li ko dal metti na ki ko indi sax bi ma ko waxee dafa yenu ay dàllam ndaw ah. lan nga bëgg deewul waaye da doon jéem a xaru xaru ah. Ah. sant yàlla bi nga teelee diagnostic bi baax na physiquement ça va mais nak psychologiquement soxla na ko ko jappalé ndax nit bu démé bay xaru am na naxar wala moom metti mais mën na ko gis légui wa fu mu toll nii infirmier yee ngi ci mom mën ngeen ko gis légui ma ngi leen di master bu baax léegi léegi. jërëjëf. bay xaru. li yalla wax ci ngir ak nim ko yeureme man ñu ko cham ak at yi ma yalla may yeb ma waron ko muñal luma ma muñalul doom ma jël ko sànni ma mbaam bi lu ko dal man mi Bambi wana bi ma dara di ma xamal ni su ma reconnaîtreul doom ji dafay xaru ah. lan nga wax yow ah. ni ko su xaroo moo ko yëg affaire am sama yoon nekkul ci xaru mais Ibrahima Khalil Thiam naka la la mën a jiiñee ëmb te nga ne sequ leen dara yow laay déglu lan naka la la ko mën a jiiñe te te sequ leen dara laa wax Bambe man maa njëkk ci moom xale jàmm dégguma la de nga ne lan man maa njëkk ci baam bi yow xale ci am man ngees fan bu yeboon na nga xam ne di nga ko takk nag waaw man dooma teg gàcce ñaari yoon kon li nga naan mécc yëpp yow yaa def def def def def def def def def def def def def def def def ودوس gis nga su la tegul bët Ibrahima Khalil Thiam mooy sa doom ñàkk na ndey te bu màggee na nga fexe ko yow ko Ibrahima Khalil Thiam waat naa ci nangu Ya puedo hombre chula.